Je suis le directeur de l'école Elage Aliba. Voilà, directeur, vous venez de recevoir le maire avec euh, la commission éducation du conseil municipal de la ville de tchèche ouest euh, Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le sens de cette euh, visite dans le cadre de Kubutei Djangetei Voilà, cette visite est venue à son heure. Parce que venir dans les classes ne suffit pas. Il faut avoir la présence, il faut aussi être dans les conditions pour pouvoir travailler correctement. Et tout le monde sait que ça constitue chaque année des difficultés au niveau des parents d'élèves. Ce qui fait que cet apport euh, venu à l'occasion de cette visite est un apport qu'il faut saluer à sa juste valeur. Et tant soit peu, c'est du matériel qui va nous servir à faire travailler, faire fonctionner les classes et à faire travailler les élèves dès à présent. Et je pense que donc, par rapport au concept Ubutei Yankatei, c'est du matériel qui est venu à son heure. Également, vous êtes revenu un peu sur les réalisations du maire euh, dans l'école Aliba. Est-ce que vous pouvez. Oui, ça me ferait un grand plaisir. Parce que le maire, a, comme il l'a dit, il a des ressources pour toutes les écoles de Thiès-Ouest et qu'il met ces ressources dans ces écoles-là, mais particulièrement pour notre école, euh, euh pour Khalam de Tchadjaïou, le, maire est passé par cette école-là. Donc cette école ne peut pas lui rester indifférent. C'est pourquoi euh, il a particulièrement insisté sur tout sur tous nos besoins. Chaque année, chaque fois qu'on a un problème, on le saisit et il fait quelque chose pour cette école. Euh, un bloc sanitaire a été construit avec l'apport de l'ARD, des démolitions qui devaient tarder, qui, nous qui devaient nous empêcher la construction d'un bloc, bloc euh, sanitaire ont été faites par le maire et à temps. y euh, a un remblaiement qui a été fait aussi euh, à la veille des élections législatives. Durant le défilé, du 4 avril de l'année dernière, un appui consistant est venu du maire. des fruits scolaires traditionnellement, bien sûr, sont là avec nous au niveau de la sécurisation et de l'assainissement au niveau euh, dans, la façade extérieure de l'école. Euh, comme l'école est contribuée au marché, le maire fait de ça euh, son activité tous les jours. Ces agents sont toujours auprès de nous pour la sécurisation et l'assainissement en dehors de l'école. pour son premier programme de réhabilitation des écoles, l'école a, a vu quelques réalisations avec ah, quelques réalisations. Le mur de l'école pour la sécurisation a été élevé, la salle informatique a été réhabilitée, la salle de réunion a été réhabilitée, des classes, les trois jours des deux classes ont été réhabilitées. Donc, en somme, nous nous retrouvons dans, en tout cas dans ce que, dans ce que, fait, le maître. Le maire, fait le, maire vient de faire une promesse par rapport à l'école mondiale qui a été entièrement rénovée par euh, Baratal. Mhm. Le cours euh, de l'école sera bientôt une chape de béton ou Effectivement. Il faut d'abord euh, profiter de l'occasion pour saluer ce qui a été fait à Mouniaïto. On a vu les images, et moi je promets d'aller là-bas, mais euh, c'est une fierté pour l'école sénégalaise. Et l'appel est déjà lancé à tous ceux qui ont des possibilités pour faire un, retour dans ces écoles et, en tout cas y amener une certaine contribution. Moi, je pense que chacun le faisait. Euh, Baratal peut-être seul, mais en tout cas, si dans cette école-là, euh, chacun y amène un, apport, si minime qu'il soit, mais je pense que nos problèmes seraient, bientôt oubliés. Et le maire a parlé, il a pris à, à témoin toute la communauté qui était là, et je pense qu'il a promis des choses il euh, y a des choses, il y a des, autres personnes qui ont aussi promis des choses. Et je pense que c'est des travaux qui ont bientôt euh, se déroulé. Et ça fera aussi un plus pour l'école. L'école Alibaba reçoit combien d'élèves Vous avez combien de salles physiques euh, On a 12 salles physiques et on a 800 élèves. Bon, peut peu plus de la matière, est constituée de, filles. On a, on a un personnel de 19 enseignants, dont deux arabisants. L'école est toujours dans sa dynamique de, qualité, pas plus que pour cette résultats de cette année-ci. On est tous, on est, on est tous pour, aussi pour, pour que pour le CFE. On est au-dessus de, 95%. Donc moi je pense que c'est dans cette euh, ligne qu'on veut cultiver et qu'on voudrait que chacun amène sa, sa, sa, sa contribution et sa pierre. Content nañu baax ci maire et le maire en personne parce que dafa ñëw euh, fedd li li ñu doon wax ubbi tey jàng tey te ñëpp xam nañu ubbi bi manam maître yi ñëw élèves yi ñëw benn la mais benn bi moy ñu jang ñu mën nekk ay condition jang te ku weex jang wax fo bind wax kaye wax bic wax leneen donc ñëw bi mu ñëw heure bi nekk na lo xam li euh, da fay dëggal da fay a tax mu nekk ubu tay jàng tey donc kontaan nañu bu baax ci ñëw bi ak matériel bu indi ci école bi lu mu néew néew néew xale yi dinañ ci mëna a jariñu te xam nga jamono yi neexul parents yi xaw ay problème pour ay fourniture donc li nu mu tuuti tuuti vraiment dëggal na concept jang ubi tay jang tay parce que loolu contane na ci bu baax yi benen yi ñi def nak ci mu ñay ko mu ñay ciow ñi ci contane bu baax euh, manam mbecte la pour école Sénégal yépp mbecte la buñ ko gisee man dama kontaan nekkul sama école waye ci école Sénégal la nekk nañ ci bu baax te buñuy sañon sañoon bari ci dëkk bi ñu son képp ku mon lo mun lu mu neew neew neew nga indi ko sama indi école yi baax état bi d'accord accord ñoo responsabilité eh, responsabilité école waye ñi jang ci école génn fa yalla dogal école bi tax ñam liñ am bu ñu delloon ci ñëkul tuuti ya xane école de gëna bax rek loolu do aussi kontaan nañ ci té maire bi aussi xol na né war na def dara pour école bi mi ngi ko won def sax parce que ñun wax yalla yàlla eh, maire bi lu ñu soxla mi ngi ci mi ngi ci luñ so luñ ko soxla lu mu neewno dinañ ci def dara musuñu gantu ci dara bii aussi wax nañ ko nee na dina ci jéem a dugal euh, alalam pour ñu jéem a euh, dër école bi. am na ñeneen ñu ne dinañ ci indi tamit bu ñu soxla aussi ñëpp fekk suñu pour que loolu mën a gaaw école bi yëpp mën ci jariñ donc vraiment ñi kontaan bi maire bi ñi ngi kontaan ci ñi fi ñëw ñëpp di ñaax nit ñi nañu nañu jàppale école yi ñu jàpp ku nekk koñ ba nga nekk na nga jàppale école bi loolu laa ci mën a wax.